Je vous avais dit que s'il essaie de perturber la fête là, wallahi, muy jeudi muy vendredi du am man maa la ko peut-être administration bi moo ñu ñemee mais ñii ñemewuñ ñu dem nañ campagne ba jeex te génnuñ ci mbedd campagne nañ ba jeex génnuñ ci mbedd bi te duñ génn du ma seen morom même buñ ma magee ñemewuñ ma campagne nañ ba mu jeex génnuñ ci mbedd bi j'ai été nag man civilisé toog de l'État. te loolu laa bëggoon mu continuer mais cette forfaiture cette hold-up là nous n'allons pas l'accepter sont des voleurs ay sàcc lañu waaw yow grand yi ngeen doon sonal ak yi bokkul de ñi ngeen doon sonal ak yi bokkul lii bu yeboo ngeen dem toog dem leen Vous avez perdu les élections, vous devez accepter la volonté populaire. Vous devez accepter la volonté divine. Yalla li la dogal. Beaucoup tok. Bëggu ñu won problème. Mais c'est toi allez, et c'est surtout toi. Yo, Yaya Y'a xew. Ya vous quittez la salle ah, voilà vous n'êtes pas il faut essayer il faut sortir par la grande porte. Tu as été déboulonné. Tu as été la grande porte, monsieur le maire, s'il vous plaît. Quittez cette salle-là. Allez. dama la rus. Dinaa la dóor de, dinaa la dóor de. No, no, no.